o salla nebi kamma adi sahaba ni adi dunkoni adi sere suge yaxediya mawundiyen kota allah ga nosu kappa annebi jamanga yauma alqiyama e o yerini gollen joppa ngandiye ɓeɓe ɗo wara keya o xoxono o rommu oni ñonki igan katti sikki xumbene iga dina ke kiñandin ixagan katti sikki xonnonde dinan naxa igagan katta annabi sunnan defana alayhi salatu wa salam. wasalam kenyani ode haqqu kerege awutu na tirindinde ñi kamma Nanti na nantinalli jaabin kinoy allah haqqebegi komon kamma ade komon ka haqqebega allah kamma annabi sallallahu alayhi wasallam a haqqebega nin kamma na bangandoda a falle silami a haqqebegan me silami kamma Na ka naxa da a ka tandi sarano i haqqe bega i rommun kanma naxa bangandi alla gerenda karagandi lomunu haqqe bega i saranon kanma an qawa silami suna ketu allah haqqe annabi haqqe silamaxu haqqe saranon pilli haqqe rommu haqqe wo taxumananni keyayi a fetinanti conférence durageni o de ke xerexere ti lomunu nyai. ni sakondi kadoni ngera ga kiniya kengeni usulu salasa annan kaman tunu kammo annan dinan tunu kammo annan annabi nyimmen tunu kammo asharun tengei français de arab kengena girino sahihul azkar duwa nguborero munga kawa du suban de lele ige sebeti annabiya hadisu laban tonno ay kefni kadoni kengena girino sira be ogede safa nantona annabitu alayhi salam agaw kefni kadoni kengana girino miskul aswad miskul aswad akenni parfeyay lemine nanyangana roni do aganañi bakka aganañi rono aw kisni tarallenburunde yaha bure tarallenburente miskul aswadin time mulla hatta fuɓeni ga ruqa sharia ndeɓerini ina miskul aswaduña utilisene ken parfera aye kinini lomunuga naam alla de lumunun takkello keyayi ogan katti sali mutida ni yonki ni encourage na ñille duwaŋida haranmogoni ŋerni sikke ga wurnu mogobe koyi mulangoyilenki cheikh madimagan baraji a cheikh ibrahim tunkara kusu giri golña nokkuña kefage giri golli nokku amene gi ka ari simbara giri golli nokkuña nanteŋiyere mais asuni dina ke hanuye o ogan ka togo togogono ku demena mogobe ku kafiri kurumboɓege bugu. igaarin iga soron fitnana igaarin iga tilna dina millani ogana sigono ogana informe igana dina ke ina sigi ina dafa ode kallengo wutu kotabe amana ni kenyai na italla nyagalindi biidnillahi taala mogeri formation xerexerente kinelo munu kuya ikati sikina dina ke dafa kan mogo ikati qur'ane famunu kan mogo ikati hadisum famunu kan mogo no togo birene wallahi dina ke igana tuse iyodo ko wonon do mani ñini sikki oga defana toriyon kindona buro naam sefen nan koto maga karammogo ni ngere e o mi korom kinniya golle nga jokkana ga tele daga killebe mi gera ko mona bane tibane hada wa billahi ta'ala tawfiq allah ganno gomdiri sahabai nogo gono kuraga ni sakondi kamma ka konwa ka sako kan sefe khariqun bene yugu khariqun bene yagaru naam الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايوا اوندا ديغا من دوران ديني وارني تنجي كاتا غولنغا غولنغا رني ديغول مغوبي خوغدا كو مغوبي تانا كي إيه، كيسون كراغياني شيخ هارنا غدا كون نسسا ان شاء الله مي سرسو غارنا كيسون هيلي بانا جابيني انا كيسون هيلا جابيني قومي تاغبي غانتا قومغا سالكينو ما جوسكا 17 heures donc mais sagonde bane ani tanni inchallah kudo oraga sagono honne honne mogoɓe e hiɓe togo gana xiri an ganari la première chose à faire allini ke gobileɓe hay kundu allini feynu hilliwutu ke a noxonga an gana feynu hilliwutu ke noxonga wa konnandangani gobile numéro tel et tel gelli numéro 1 do 2 ma 2 do 4 ñagani isani nga anna choisindi kun noxondi ke so hananga pose nanga an gana alla gan tatu annatin anadaga hillandinga Voilà, ainsi de suite. Ce qu'on vient juste de le dire, donc on va commencer, on n'a pas beaucoup de temps, Inch'Allah, il ne restait pas beaucoup de temps pour la salle, Inch'Allah. Et on a cinq questions au total. Mais chacun d'entre vous, il répondra que à deux questions. Deux questions seulement. Avant de répondre aux questions, il faut un tirage au sort. D'abord, on pioche ici pour savoir quelle question et quelle question. Donc après, on choisit, euh, selon ce qu'on a, on a choisi ici, soit gobelet numéro 1 jusqu'à 5. Après, on répond aux questions. Si on ne sait pas, on passe. C'est juste pour vous encourager. C'est un encouragement, hein. c'est tout, Inch'Allah. Tout le monde a compris Vous êtes prêts Ok, quelle est, la meilleure ou le meilleur il gagne C'est la meilleure ou le meilleur Hein Là ou le Là D'accord, on verra ça <laughs> dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc, on va commencer par euh, Abdullah Silla. Il n'est pas là Si. Qui sont ça part de là. Ça, c'est numéro 1 jusqu'à là. Alors, on commence par le numéro 3 d'abord. Une question ici. Également numéro 5. je Prends les micro Je m'assois Oui. Oui. Alors. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alors, pour ne pas trop tarder, déjà on est en retard. Alors, on a des questions à vous poser. La première, trois parmi les droits. Sur ma canne, il y a une phrase. Sur ma. Hakou Sibki,

Silami Hakrimi Silami kama ayani ayani agana na daga bigi agana na daga nyumi agana na daga badi sagudi hmm? sagadi agana agana uh, nchi silami hakrimi silami kamani mhm. agana na daga bigi Agana fira anataka nyumei, agana fasha anataka badi. Anaka badi. Hakku sikki nangiri lemon pakenga saranun kamma. Lumu hakki saranun kamma ni. Gila lamana no pidi magankuru. Ana dina kuyi, ana mara al sallallahu alaihi wasallam marandimo. Sagali. Chilumu hakuri saranu kamani anau kipidi gilalamani magankuru mara anamara mugu mara nabi sallallahu alaihi wasallam marandimugu طيب بارك الله فيك بارك الله ما شاء الله ona ona honne kaho ona ho kaho diga menga la ona siri. Na Hakukuko, c'est simple. Mais les plus détaillé ça compte. Datu magara hamu. Hein? Parce qu'on nous corni, alors qu'on nous connaît neha. Mais hibe na hanka korengani, de rajouter des plus détaillés. Ana kunda na détail ko kini ka awo hatemba siri. Hein? Kama du ka woro na wa kwa ho sirisirike kode.

gobelet numéro 3 et gobelet numéro 5. Abdurrahman, Abdurrahman, viens, c'est pas fini. Prends une question d'un gobelet numéro 3 et numéro 5.

agar ehm, anu sih Lanajri Anajri Ya Rahmatullah agar Alors, on a essayé un dangi. Euh, Alors, sasa wurni kesu hillandinga hakku siki lemmu saranun kamma aku siki lemmu lemmun Aku siki saranun kamma lemmu saranun lemmu c'est quoi répétition ou quoi Ouais, on va

insanun adi iya. ini sarang yang kan yang buruk طيب تمام بارك الله donc on a saga dengan eh, ya ni euh de dina danya sunan kan ni donc gemakan dengan kebe soit serbe ga ko ni soni geni malanga ko ni français de donc là les deux c'est valable yo ila tauna sunan kan ni ya wa Hein? le Kenya Kenya deux ziri Sonra Boykile. Point de feuille là. Alors. <coughs> numéro 1 et numéro 4. Sorona. Numéro 1 et numéro 4, à partir de là. Numéro 1 et numéro 4. Un de chaque. Voilà. Numéro 4. Ah, Urti. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Gini sogona ko yigille awanda asukuni. Ay waran ku yindellaga. Ay wa bonjilo ran <laughs> eh, Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. ewa gona jonga tundu ko hilbe gam maga allah ko komen kamma ado anna haqqe ka ko men allah kamma a ah, daga ken allah ko men Allah hakika min kama ona Allah batu ona mara hinanji ka hai ko min Allah kama Allah na mara sirinya ngang kata hibiga ma hinanji ka hai kamudiga sirebe mara طيب تمام taso kiyesu hillandiŋeni kebeya silame an pa kamme silamen kamma an na sikko silami hakki am silami hakki am silami aga gana mengari aga na mikuni bani gana masaha bani nandiga bebe bani gana fati bani nandiga jana zanda bari. barakallahu fi surtu omma mu omma mu ngule omma mu ngu bino ni explication ke hewa barakallahu fi galayda explication ke no o maga mélange luro menaxa surtout ngara koti ɓe ntimaringa naxara hame kitadi surtout question ɓe haygari sasa kundu silame an pakke an me silame kamma wona hamu sirde par ce que mélange ngadi siri ewa o maarode tane kenge kawaru ko profité de siri cheikh marhaba abdoulaye kamara abdoulaye On défait ici. Une deuxième. la caméra. Il y en a Black camera. Donc, euh, objet numéro 2 et 3. 2, 2 3. Ouais, pas de souci, tu en français. français Ah bon Alors, euh, trois, des droits, les droits des parents sur les enfants. Trois d'abord. Oui, commence par ça. D'abord, les parents, ils ont des droits sur nous, on est d'accord Alors, on a besoin uniquement de trois droits. trois droits Les euh, n'ai pas les brusquer. Leur adresser de douze paroles. Ça y est. C'est bon, c'est pas fini Alors maintenant, trois droits sur euh, les droits entre les musulmans, les droits. On a besoin de, savoir trois. Parmi les droits des musulmans envers son frère musulman. Euh, lui passer le salam, le conseiller et l'écouter euh, quand il parle d'écouter quand il parle. C'est bon, c'est bon. Zainab Sissé. Elle est là, Zainab Sissé Alors, deux faits ici. Alors, oui, allez. Va t'asseoir. Sunigé ou français Anna sunigé nyani Ah. Ayo na ko sunigé ndi. Yo eh Allah hakebe wo komen kama aro komen pa kebe walla kama. Tinni hananga. السلام عليكم ورحمة الله جامعة سلطانية طبعا زينب سيسي الله هكذا كومن كما كومن على بوتو ಕಮನಾಲಬಲು ಬುಧು ಅನಮಾಫಿಲಂದೆಕೆತೆ ಕಮಹಾಕದೆಗಾಂದಕಮ್ಮ ಕಮಗಾರಾಂದ ಬುಧು ಅನ್ನ ಅಗನ ತುಕಂಚಲ್ ಜನ್ನ طيب हक्को सिक्की सिला में अदम में सिला में रुमेना सिला में हक के बिगड़ी में me silame kama agara punya antara punya dijaga agar angka grup anime agar jilid saudara na jilid dan barakallahu fiik tayyib don maga mungu bari sabala ngana ti silame an pa kambe silame kama an anda khiri ana nyimi kan bane ne? yalla ngi ngana ti sheikh baraji anda nyimi ke khirdani wa makan khirdani ne ça sai faut surtout précision go ha ngai de sois pas étonné serebe raitini a ada jaabi oɗo jaabu ku birenu tabana de geɗan kada andin jaabi anti ndam namu malla ha aɗo hirde ɓe o haju ngai c'est pas ça yo o maraga kani Ibrahim Jami. Tant qu'à plier les machins. Alors, choisis deux d'abord. Non, ici. Oui, deux d'abord. Deux Oui. C'est ça. Alors, euh, numéro 5 est. Le centimes, c'est quoi ah, Je ne sais pas, moi je ne connais pas les questions. Numéro 2 et 5. Alors, le numéro 2 ici. Oui, prends une feuille. Et numéro 5. est là-bas. Français. Hein? Français. Alors, trois droits, les droits des enfants sur les parents. Trois, on en a besoin. Euh, les enfants ou les parents Non, les enfants sur les parents. Euh. Il y a les parents sur les enfants, il y a les enfants sur les parents. Les deux, on en a besoin. Trois d'abord, parmi les droits des enfants sur les parents. Oui, allez-y. Euh, les, une bonne utilisation. Yo. Voilà, c'est bon. C'est bon. Un bon prénom. Hein Un bon nom. Euh, allez-y. On t'écoute. Il hein. Faut dire combien Trois. Trois, trois, trois. Des beaux habits de beaux amis allez, en langue deux. Il manque combien ben, Il manque un. On a dit trois. Euh... Les... Regardez là-bas. bonne éducation Bonne éducation. Alors, la suivante. Alors, les droits du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam sur sa communauté. Euh... Oh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sur lui, il a des droits sur nous. Alors on a envie de savoir c'est quoi ces droits. Il est mieux plus que tout le monde. De, de le respecter jusqu'à sa mort. Et, euh, euh, et c'est bon Et de prier sur lui. Barakallahu fi, c'est bien. Voilà.

فارس صلى الله عليه وآله وسلم أرن كم بكني من تنو كم أم فارس صلى الله عليه وسلم أخبي أبو أم من تنو كم أو كم أخبي أبو كم كم ولا أسونا كيسو ها ولا أسونا كيسو مhm ويقول لك أنا أقول لك Animé Et landing en Alors, droit, le, le Seigneur, il a des droits sur nous. Également, nous, nous avons des droits sur lui, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ces droits On dit bani sonique, bani français. Les droits du Seigneur sur nous et notre droit sur le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le droit sur le Seigneur, c'est que on doit l'adorer, lui seul, aucune autre divinité et aussi on, lui doit l'obéissance et, ça c'est le droit du Seigneur sur nous. Mais nous aussi, nous avons des droits sur lui, non euh, Il n'y a pas, non C'est la miséricorde. Ah, nous, on doit... Ah, d'accord. Je crois que j'ai mélangé. Barakallah, oui. Alors, Gagroyo, il préfère en, en français Alors, on va essayer de commencer euh, les droits du Seigneur sur nous. C'est quoi les droits de. pardon, les droits de. Oui, les droits du Seigneur sur nous également. Nos droits également sur le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Euh, Rapproche le micro bien comme il faut. Le de. Le droit du Seigneur, c'est qu'on ne doit pas lui associer quoi que ce soit. C'est bon Et nos droits également Ou on n'a pas de droit Je sais pas. C'est pas, d'accord. La deuxième, les, euh, les droits du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi sallam sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des droits sur nous. C'est quoi ces droits Avoir une foi sincère en lui. Avoir, avoir Une foi sincère en lui. Mm-hmm. Le respecter euh, pendant la vie et après la mort. Mm -hmm. طيب بارك الله فيك الماجد Euh. Alors, comme là. Ah oui. Alors, euh, on a la première, trois droits parmi les droits des musulmans c'est son frère musulman. Trois parmi les droits des musulmans c'est son frère musulman.

on rapproche. Salam alaikum. Alaykoum salam. Mariam Sissé. Aywa. Déjà dans ce dit question du corps. masha'Allah. Aïwa on a sa question du Ah, bismillah. et agara kunya na kunyendekeraga agara hajji anadagga anadag akunyi agara fashi anadaga bardi طيب alors question hillani ngani kebeya allah hakkay komen kamma aɗo kome a hakkay allah kamma allah ha hay komen

numéro 4 et numéro 5. numéro 4 et 5. Ne t'inquiète pas. Hein. <laughs> Alors, c'est quoi les droits du Seigneur sur nous Et l'inverse. Les droits du Seigneur sur nous, subhanahu wa ta'ala, et notre droit également sur le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. D'accord. Tu as compris la question Voilà, donc d'accord. Il marche pas ben, bah, Tu as compris la question Ah, d'accord. Ce n'est ah, tu pas compris. Les droits du Seigneur, les droits d'Allah sur nous. Et nous, on a des droits aussi sur lui C'est quoi Tiens bien le micro. C'est bon Hein? next? Alors, on va sur Alors, la, euh, la deuxième question, euh, on a besoin de trois droits des enfants sur le parents. Les enfants, ils ont des droits sur les parents. Trois selon Bien. C'est bien commencé, allez-y. Oui, Diaby. Il reste deux. C'est bien parti, allez-y. Alors, trois droits. Alors, c'est quoi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous avec les droits du prophète On doit avoir foi en lui et foi en sa prophétie. Mhm. On doit l'aimer plus que tout autre chose, sur que nos parents mhm. et le euh, Et on doit étudier la salade et le salam sur nous. Sallallahu wa C'est bien. Ah, rapproche bien. Et également trois droits des enfants sur les parents. Les droits des enfants sur les parents on doit euh, les respecter, faire des actions qui leur rendent plaisir et euh, obéir. Répète. On doit obéir, les respecter et faire des actions qui leur rendent plaisir. La différence entre obéissance et respecter, c'est pas pareil. Non. Bon, d'accord. C'est bien. Barakallah. Les questions, euh, quand Cher euh, pose des questions, faire attention quand on dit les droits des enfants sur les parents. Pour faire attention de ne pas les mélanger avec les droits des parents sur les enfants. Euh, vous avez compris Les droits des parents sur les enfants, c'est-à-dire les devoirs des enfants envers leurs parents, les droits des parents sur leurs enfants, c'est-à-dire les devoirs des enfants envers leurs parents. Vous avez compris ou pas Voilà, ne pas mélanger les, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Faris sallallahu alayhi wa sallam, aha kube nugo amantun kama. Yo, anna kunko ona kutrika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faris sallallahu alayhi wa sallam, aha ku imantun kama. Ukawa na khani. Et euh, la limana kabu agari chihibe. ايوا فارس صلى الله عليه وسلم نبي لمنو هو اكو بيرو سارن كما سيكو انا سيكو كوكو لمنو باكو بيرو سارن كما مسيكو نسيكو كوكو باكو بيرو سارن كما سيكو saarunum lennu gana saare o hawana torosire kiniya ni jikuji mara siramabuji gana kinila jigo na sale koyiya inati sali kan aji bane à partir de 7 ans jamil barakallahu fik ko amantunu kamma les droits de prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous Parle le micro. Khadija, Khadija Tunkar. Khadija Tunkar. En plus, Tunkar. Euh, transmettre à droite. Respecte sa oui, c'est fini C'est tout Il n'y a pas d'autre chose à rajouter Les droits des créateurs sur créature et l'inverse. Anda, anda hamu. Mm -hmm. Bismillah. Adorez uniquement là sans sans aucune dignité. Mhm. Rapproche bien, rapproche. Adorer uniquement là, sans autre personne. Le respecter. Barakallah Les parents, ils ont des droits sur leurs enfants. On en a besoin de savoir trois parmi les droits. Les parents, ils doivent. Euh bien éduquer leurs enfant oh, enfants, bien, le nourrir. Euh, c'est bon Non. Allez-y. Ils ont droit à avoir un bon prénom. Et là, euh, c'est bon. C'est bon? bon? Alors maintenant, la deuxième, le sallam sur sa communauté. Alors, ils doivent prier sur lui. À chaque fois qu'ils entendent son nom, euh, ils doivent, dire sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. Et ils doivent le respecter quand il est vivant et quand il... de, de sa vie jusqu'à sa mort. Barakallahu l'islam haqq limania al islami Merci beaucoup. Siko. Islam ya haqq ame islami kamas. Assalamualaikum. Untuk Asana. Jalla kan. Ana Assalamualaikum. samka. అపనంచి kan, anda mani lagari rakhi hai jaise laga ya, Saya hai sage laga rakhi repeat ala sa hmm? saya hivyo kusa saga sikandi sikandi sikwa sipagara so okay laga rakhi so hilandi Le me hake li manya, habe yon kamman. Sarman kamman. Si pou. Le me hake, sarman kamman. Hayib. A filan ji. Hayib. anateruka asikanji anamahabutunji. Merci. Barakallahu fik. Trois droits des parents sur les enfants. Les parents, ils ont les droits sur leurs enfants ou pas Oui. On a envie de savoir trois seulement. Les éduquer. Non, le droit des parents sur leurs enfants. Euh, pas l'inverse. Euh, euh, on, on, on, passe la question. Hein? On passe La, la, allez-y, allez-y. Quand les parents, on a répondu. Et aussi quand. طيب alors maintenant طيب également le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa communauté T'as compris la question Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu Hein hein hmm hein on peut faire dans. dans n'importe quelle heure. Je suis, Merci. C'est quoi la question Trois droits parmi les droits des euh, musulmans envers son frère musulman. Silami hapa amesilami agana hina na bagalumi agana kara na daga badi. e agana طيب donc ça, ça sasa hakusiki lemu mpapu siki saranu kama lemu mpapu siko anda kengo saranu kama lemu haku saranu kama ni alama ana ana dinan ana dinan koyi akan ana occupé magan et Barakallah vous Fake. Ses droits, c'est sa communauté. Rapproche euh, le micro. Euh, il a les droits de. Il nous de ma vie ce qu'il a pris. On n'attend pas bien. Rapproche. Euh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses droits sur sa communauté. Il a le droit de nous apprendre euh, ce qu'il a appris. Mhm. Et de nous faire suivre euh, la religion. Alors la suite, euh, trois droits aussi des musulmans vers son proche musulman ou vers son proche. Il a le droit de respecter, d'avoir de la patience et euh, de nourrir ceux qui va pas Barakallahu fiqh. Les droits des enfants sur leurs parents. Euh, salam alaikum. Euh, les droits des enfants sur les parents sont euh, d'avoir un bon prénom, euh, d'avoir une bonne éducation et de leur apprendre à aimer et craindre en moi. Et l'inverse De les obéir, de ne pas d'être bienfaisant envers eux et de les respecter. De les respecter. Barakallahu oui, okay. Les enfants, sur leurs parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, trois droits sur euh, parents Non, les enfants sur les parents. Respecter les parents. Ne pas les désobéir. Et ne pas les manquer de d'enseigne. Et les droits des prophètes sallallahu alayhi wa sallam sur sa communauté il doit rapporter ce que Allah lui a dit de faire et laisser des traces pour les prochaines générations. C'est tout D'après toi, c'est qui qui doit laisser les traces pour le... C'est qui qui doit laisser euh, C'est Malik. Hein C'est l'ange qui doit... Ah, c'est l'ange Non, c'est l'ange qui doit, qui montré montrer les choses et ensuite c'est le prophète. Trois droits Trois droits des parents sur leurs enfants. Non. Euh, les enfants doivent respecter. On n'attend pas bien, rapproche. Les enfants doivent respecter leurs parents. Ils doivent euh, les soigner quand ils sont malades. Et, euh, et les obéir, papa, quand tu les incitent à désobéir à Allah. Répète encore. Euh, les enfants, ils doivent respecter leurs parents, les soigner quand ils sont malades et les euh, obéir à part quand ils, ils incitent à désobéir à Allah. Alors la suivante, trois des droits des musulmans entre les musulmans, ou les droits des musulmans entre les musulmans, on a trois. Euh,

le, Seigneur subhanahu ta'ala, il a des droits sur nous. C'est quoi ces droits Également, nos droits également sur lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà, le micro. C'est-à-dire hein? hein? les droits de Seigneur, les droits de créateur sur les créatures.

Oui, les droits des prophètes Mmh. Quand, il est mort, je viens prier sur lui. Après, quand quand il t'appelle, je Quand Quand il t'appelle Si moi je dis Aramata, la réponse c'est quoi Présente, c'est ça Oui, Barakallah fi Aramata.